studio Bonjour, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangu. Pour la présentation de ce lundi 8 juillet 2024, vous êtes en compagnie de Mariam Adé et de moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Mariam, en forme ce matin Très bien Habiba, je suis prête à tenir compagnie à nos auditeurs et toi Je vais bien aussi et je suis prête à tenir compagnie à nos auditeurs aussi. Je suis sans trop tarder, chers auditeurs, nous allons vous donner un aperçu du programme de notre émission d'aujourd'hui. Pour t'introduire, Habiba, nous commençons d'abord par les flashs d'informations. Comme toujours, ensuite, il y aura une fameuse réplique justice à du lundi. En écho des régions, nous partirons à Maradi la chronique Lotti, la rubrique Portrait, la culture linguistique et notre page sport, c'est aussi au rendez-vous dans cette émission. Le Niger sur a également aujourd'hui l'honneur de recevoir le groupe Tende des femmes Touareg comme invité. La cantatrice du groupe est Madame Machela Ileka. Elle prendra le micro dans un moment pour nous dire tout sur les Tende. Accompagnée par ses coéquipières, tout habillées de la tenue traditionnelle, nous aurons le privilège d'écouter en direct les Tende dans notre studio. Les mêmes Tende dont nous avons tant parlé ici. Chers auditeurs, restez branchés sur les ondes de nos radios partenaires pour savourer ce programme. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, tout de suite les flashs d'information avec Refika Tahera. Bonjour Refika. Bonjour Mariam. Alors, euh, pour euh, le flash de ce matin, actualité oblige au terme du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance du Sahel qui s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey sous le thème L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité. Le Mali assurera la présidence de l'AES pour un an et le Burkina Faso va accueillir la première session parlementaire de l'AES. Les chefs d'État ont souligné parmi les points discutés de la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans le secteur stratégique, notamment entre autres l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et la transformation industrielle, le, le relèvement et la stabilisation, l'emploi et la santé et d'une banque d'investissement de l'AES. Par ailleurs, contrairement à des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux lors de leur sommet ordinaire tenu hier dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la CDAO n'ont adopté aucune décision relative à l'exigence d'un visa obligatoire pour les ressortissants des pays de l'AIS e des États du Sahel pour circuler des pays de l'Alliance plutôt des États du Sahel, AES, pour circuler dans la sous-région. Le président de la commission de la CDAO, Dr Aliou Oumar Touré, a évoqué ce cas de figure comme un impact potentiel sur la libre circulation des personnes et des biens du retrait des États du Sahel de l'organisation qui prendra effet en février prochain. C'est pourquoi d'ailleurs lors de leur sommet de Niamey, les chefs d'État de l'AES s'agissant de la libre circulation des personnes et ses biens ont instruit les ministres compétents d'élaborer en urgence des projets de protocole additionnel relatifs à cette question en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de et de la CDAO, rapporte Actu Niger. Enfin, une petite page sport. L'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN e a remporté hier cette jeu au stade Sénikounché de Niamey, la Coupe nationale de football édition 2024 face à l'Union sportive de la gendarmerie nationale par un score d'un à 0. Notons que le sifflet de cette 49e édition a été assuré entièrement par un corps arbitral féminin. Et voilà pour le flash de ce lundi. Merci Rafika pour toutes ces informations. Passe une excellente journée. Merci Habiba. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, l'invité du jour est Madame Machila Elka et son groupe. Assalamu alaikum Machila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tisqam madak mutigen. tan martina sa wadda tigam hena. Insha tana tan martina. Akhara adan tigi madda lawunte ko. Wala khawli. Tashriyat matko. nga nagapre. ولا سويزا <laughs> هيك كان سلام غين في لك ما كل انك مت اه سلام في لك مت متيرا أميرا زا غريه النافرة ندو نت نسوفا دا نتيجي مرسو ين ونا وات فلس مولين يكرازاون إن شاء الله انت سنرا دا نقو توتم إن شاء الله من لا لا لا لي tererê. se Tande alors mashila on aimerait savoir naran sin ma kuy sogan ezila watgam nara mazal wa wat sogam de zeliwa waza mazal nan ke feltu na gawa gaza la tut sallidi nte zele ya mo sar china la magna aga za ci din ga sar mawara wannan mara smara wa ya mo sar cila na magna gorna lissafi ma ya mo sar al magna ila e gorni daraja zuhuran ya mo sa sana'an nan da dodon gas marawan is marawan tafriga tagezeli felis tarewidin tafriga atta tagezeli fel medran tafriga citik sarwada qafnak fel tizdiya tagaqu taddawe watare biri tiflisa watare talka wata talka wasan tafriga tishiwle fel tirgimaqu tigre انكي دل مغنى النيزل يا وانا نازل مستو تغم وازازل ديكاوستو نغا deka wostunaga amo seli shilana shak intarastunaga kiran taflisa tutugam taflisa tunaga inta wedi nas tu taflisa tafrega das tagezeli tafrega aratana gotni na tandu takasa felezeli tadawqu yo madan ran simamo salmagnan tendi arwa nari dagni dagalgadatna na tamajgan to algadatna na dagmajgan tendi agasa tadunaga maya mosana agasa tadunaga imara wannan na wasdunan kar imarawan marawan nan kini tendi da su jgalan tigre na ta gedda na got ni won san ta zidiya cin isim isinawan duban taro yete ta gina anniversaire yen biri arata khas wa san kullu te he annashwa wan ta zidiya kullu na gufi fillas ega sanati wa torram naga na na group tendi shatayero kinan kakatnak machinnaayirku kolnala jinnaayirnak kinanamas maanum mukwas tafaranam iswatno tataajimtamunin kasnan tafaranam wini maren kinas tannafaran natak ahat nasan lagaqaf asada jita gizeli tafreegat giwara akida siyejelen kenna medranaya mosalaqiyat iyan takna qusimin nagdayen yeniyan asigdun kenna medran tastiqa kukuma tigriwa qirisun ken sutare yo kenana inki ya deuda hatan limi wa nagafnak to mera zama watin tende kinna ko kena man mu kwashta go ashghalnak ko shghal ndeni kada da مرة ذنك روان موسيا مجكنا تذكر بان نت ورجعت رقة لور إليس نغافي رقة إليس نغافي وفرقت رقة ناري ولقى الشغل الدين اللي ميت تبارك الله من الحمد لله مرة كني تلا زرنت الشغل magarfa قد أكن قد إلا الزر jerdis كي ما نقدر تشتقن ما نقدر تشتقن تندي ولا استقيم كبلين ما استوقن وإذا تقدر قد دم دنكويا ساقد نشكا قد كل أكن قد مقصد كان إمارة تو مرزا نقاتا كيتنا نتاتا زارت كامي هنا بستا كيتان سنة تتادا نتيجي مية مرسور واندا إن شاء الله غرزة نفي وناول هتشيولة هتجميز اللي استغت سنغاروس ساتي دق مدان كل تفرس pour cette chanson. J'ai la chair de poule en fait. Et Habiba, elle est essoufflée. Elle a tellement dansé qu'elle n'arrive pas à parler. Je suis fan du Machila pour ceux qui nous écoutent, ma soeur, muna yi hira da Hausa don su ma su ji su gane. Yawwa na to muna so mu sani wa'okin da kuke eske mutane suna son su sosai. To lalle kam, salam alaikum farawa. Lalle kam mutane suna son wakoki traditional tunda yanzu lokacin gada muke ciki. wallahi duk mutane in ce miki na dai duniyar ga fulani zabarmawa hausawa a cikin wanga zaman da muke duk inda dai aka ce wani abu za a yi na traditional sai an ce muzo yana da babban alfahari yau arme ake ko wani facin kauyawa da ake in na bahaushe in na bazabarme in na buzu ne kowace dai irin kabila sai an sa kayan ganamu. kuma sai an mhm. kire mu a ce a fito da mhm. su kin gane mhm. kenan abu ne gare mu mai mahimmanci sosai ma gare mu yana da mahimmanci yau ga kowa ma tunda yau an an ce miki traditional kowa sai ya neme ka ka sa kaya ka sa takalmi ka sa balka ka sa komi dai na traditional yau in dai za a arme namu ne ke ci gaba gaskiya masha Allah ina ganin ku kowane arme kuna zuwa ya ne ake dokan ku biyan ku ake ko ya ne nawa ne ake doka ku ko ya ne kuke yi biyan mu ake yi biyan mu ake tunda ko gadon nan da kike ga ana shayyawa wajen arme a yi facin kauya kauyawa ya kai wajen jikka ɗari biyu wani biyu wani jika ban da namu kuɗi wanda za mu yanka firi mu ce a bamu ana ɗaukan mu san kanti mil ana ɗaukan mu dai san mil ana ɗaukan mu turu a san mil dai fan da abin gakin mutum ko ba gaskiya yanzu eh, aka ɗauke ku wajen kiɗin kuɗin da aka mm. samu ku ai shi ma naku ne ku duka namu ne to yanzu muna so mu sani wani kira ne kuke so kuma generation future ya zanta generation matasa matasa muna kira ga matasa sirke al'adarmu da muka tagazu su ba ta muhimmanci ita muka gado uwayen uwayenmu abu ne yanzu da ya zo tabarkalla yana da abun ga sosai ko ga dato balle yanzu da komi ya canza abu guda ne muke so gare su matasa muna kai kukan mu gare su wanda mun ka aihuwa da wanda ba mu aifa duka kowa ya kama kan shi ya rike al'ada shi al'ada abu ne mai kyau cikin tarihi tunda cikin tarihi take kowa ya rike shi ya bashi karfi abu guda ne ke kale in mu da ba mu da kayan aiki ba mu da tallafi kuna da wuri naku ne haka musamman da kuke zama ku yi wakokin ko shi ma ba ku da shi to wallahi ba mu da shi ba mu da shi fami ne muke in an taɓo mu kowa ka kiro shi ka ce ya zo mu mu muna son teni muna son abubuwa na material duka da za a bude hanyoyi ka samu ka fito ka fiddo kanka normal abu ya fito da kyau muna bukatar shi bamu da shi gaskiya to mun gani cikin group kin gana ku dai ba mu ga matasa ba kana matasa ba su shiga cikin ku ne ko kuma ba su so su shiga a muna da ba su nan ne yanzu muna da matasa kama abin da ya sa muna da group me in an ce mu zo duka sai mu zo duka mhm. muna da rabi ma ba duka muka taho ba tunda yau abun an ce maka na waka ne dole sai kana da mai amsa maka sosai surtu abin da ya shafi tende sai da tabi sai da amsawa <laughs> in babu su ba ta dadi ko ba gaskiya ba to mashila mun gode sosai da kuka zo nan mun kawo karshen emission me yake cewa ma entretien muryam kin hina hausa

le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangu consacrée au sujet justice et aujourd'hui nous allons parler d'un accord qui peut exister entre prévenu et le magistrat. Eh oui, dans l'administration judiciaire nigérienne, il est prévu entre un prévenu et les magistrats en charge de l'affaire une sorte d'accord qui consiste pour le prévenu à reconnaître les faits qui lui sont reprochés et au magistrat de prononcer la sentence. Cela est appelé la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour en savoir plus, Anissé Karim s'est entretenu avec les du procureur après du tribunal des grandes instances d'Agadez Omar Ougajere Mohamed Bilala. Qu'est-ce que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité C'est un mode de poursuite, c'est-à-dire une procédure qui, lors du déferment, c'est-à-dire quand euh, une procédure vient d'une unité d'enquête et atterrit devant le procureur de la République, ce dernier peut envisager et effectivement passer un accord dans certaines conditions avec certaines catégories de personnes et pour des infractions déterminées. À qui appartient l'initiative de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et dans quelles conditions L'initiative appartient d'abord au procureur de la République ou à euh, la partie poursuivie, c'est-à-dire au prévenu. Par prévenu, il faut comprendre la personne poursuivie. Donc, euh, c'est à ces deux personnes que la loi réserve effectivement l'initiative du demander l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toujours est-il que lorsque effectivement la personne poursuivie, le prévenu, donc a un avocat, ça peut être par le biais de son avocat, mais pour le compte donc euh, effectivement de la personne poursuivie. Et d'ailleurs, l'assistance de l'avocat est un aspect important euh, de la CRPC. À quelle étape de la procédure pénale est-il possible de recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité D'abord, au moment de la poursuite initiale, c'est-à-dire quand euh, une procédure est déférée par devant le cabinet du procureur, euh, à l'initiative de ce dernier ou de la personne poursuivie, donc déférée devant lui, il peut effectivement faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable على بيك الببليكي توجر اتلك En fait, euh, ce qui est un peu rare parce que pas trop connu du public surtout, il est possible aussi que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit appliquée dans le cas des poursuites en information, c'est-à-dire où effectivement il y a un dossier d'instruction, soit en cours, soit même en attente d'être enrôlé, c'est-à-dire d'être envoyé devant le juge. Lorsque les conditions de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sont réunies, il est possible que, surtout dans ce cas, l'inculpé, il soit euh, fait recours à la la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il en est de même des dossiers où la poursuite a été initialement faite en citation directe. Donc la loi permet aussi que pour ces dossiers, donc les prévenus puissent euh, et aussi, euh, lorsqu'ils remplissent les conditions, demander au procureur vraiment de faire application de la euh, procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Maintenant, pour ce qui est des conditions, euh, la première condition de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est d'abord, euh, comme son nom l'indique, la reconnaissance des faits. Elle ne doit pas être en fait euh, imposée. Quand euh, les conditions sont réunies, donc la reconnaissance des faits, la majorité de la personne à laquelle va s'appliquer la procédure, ça ouvre le droit donc au procureur donc de passer une entente avec euh, le prévenu ou l'inculpé si c'est en cours d'information ou toujours encore le prévenu si c'est un dossier de citation directe et en attente d'enrôlement, c'est-à-dire en attente de passer devant un tribunal, donc de passer un accord pour que s'entendre sur la peine et maintenant qui peut être une peine d'emprisonnement ferme ou assortie de sursis ou une peine d'amende, c'est-à-dire une peine pécuniaire. Ou les deux. La comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité est-elle applicable à toutes les infractions La reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas applicable à toutes les infractions parce qu'il y a certaines catégories d'infractions qui sont euh, notamment exclues euh, pour ce qui est de l'application de la dite procédure. Donc ce sont des infractions graves ou attentatoires aux mœurs. Pour ces infractions, elles sont expressément prévues à l'article 369-10 qui prévoit les exclusions. La ligne 2 du même texte, c'est-à-dire de l'article 369-10, précise qu'elle n'est pas applicable aux infractions d'introduction, fabrication, culture et vente de substances psychotropes punies de peines criminelles. Euh, elle n'est pas non plus applicable quand, pour des faits impliquant plusieurs personnes, toutes ne l'acceptent pas. Donc, quand la poursuite est contre plusieurs personnes, on ne peut pas recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, même si ce n'est pas pour une infraction qui fait l'objet d'exclusion. Si l'une des personnes poursuivies pour les faits ne reconnaît pas, en fait, euh, les dix faits. Quels sont les avantages pratiques de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Au niveau même du parquet d'abord, ensuite au niveau du siège, c'est-à-dire au niveau de juges, donc qui fixe les prévenus ou les personnes poursuivies quand même et présentées devant eux euh, sur les peines en cas de culpabilité, mais aussi et surtout en milieu carcéral, donc euh, il y a des avantages pratiques considérables. Au parquet, en fait, ça donne la latitude au procureur vraiment euh, d'asseoir suffisamment sa politique pénale eu égard à certaines catégories d'infractions en fonction vraiment de ce qui est récurrent ou qu'il entend réprimer le mieux dans le ressort de sa compétence. L'autre aspect, c'est que ça offre toujours la latitude au procureur de la République de passer une entente, ce qui n'est pas possible dans les autres cas de procédure si effectivement elles se poursuivent jusqu'au bout sans faire l'objet de traduction ou de transformation en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de passer un accord avec le prévenu. Là, il a vraiment une marge de manœuvre sur la peine à infliger et ça permet, si vous voulez, de désengorger le rôle des dossiers pénaux. Ça évite aussi d'usiter les autres modes de poursuite euh, que sont aussi le flagrant délit et euh, la citation directe. Et toujours est-il que cette procédure ne les exclut pas. L'intérêt majeur, c'est que ça réduit aussi la charge du travail en termes de flux de dossiers. Ça permet vraiment de désengorger les cabinets. Maintenant, pour le prévenu lui-même, c'est que ça permet d'éviter d'abord le contact avec le milieu carcéral. En fait, l'esprit même du législateur, c'est d'éviter pour certaines catégories de prévenus, notamment qu'on appelle délinquants primaires qui n'ont pas déjà connu le milieu carcéral d'y passer. Et l'autre avantage toujours pour ces personnes-là, c'est que euh, même quand c'est une peine ferme, déjà dans les 72 heures maximum de la poursuite, la personne est fixée sur son sort. C'était un entretien de Anissé Karim depuis Agadez. Partons à présent à musique ordinaire. Mariam nous propose les titres Fulbe du groupe Soga Top. C'est parti. Nyaa fulɓe e fulfulde inna suudu baaba fulɓe Rimbe e rimayɓe تتخلفون كله فلفل تدون قوتو من الدين وهندي فول بيه Fulbe est une chanson composée par le groupe Soga. Il faut le dire, à ce titre, Fulbe a connu un succès énorme depuis sa sortie en 2013 à aujourd'hui. Le groupe Soga est un groupe qui met de l'ambiance au Niger depuis sa création. C'est aussi un groupe musical néo-traditionnel qui associe des instruments traditionnels et modernes dans sa musique. titre Fulbe du groupe Soga, il est temps pour nous de faire un tour sur Maradi comme prévu et nous allons parler de l'électricité bâtiment qui ne plaît la chasse gardée des hommes car des jeunes filles s'y intéressent et s'y spécialisent. À Maradi, la tendance est en train d'évoluer dans ces secteurs, une situation qui est très appréciée par les acteurs du secteur, suivant ce reportage de Mohamed Maman. Ici, nous sommes sur un chantier de construction d'un bâtiment à l'aéroport de Maradi. Parmi les manœuvres figurent des jeunes filles qu'on aperçoit en haut du bâtiment. Elles sont électriciennes et apportent leur soutien aux installations électriques. C'est le cas de Mariama Omaru Isaka en stage de perfectionnement. Elle précise adorer l'électricité bâtiment depuis qu'elle est toute petite. Eh, c'est un métier qui me plaisait et j'ai eu des parents qui m'ont encouragé pour réussir. Ainsi, elles m'ont apporté tout leur soutien, étant donné que c'est une passion pour moi. Effectivement, je peux faire l'installation puisque j'ai fait des études sur ça. Présentement, je suis en stage et nous sommes bien encadrés. Et monter sur le toit fait partie de notre contrat. Et je n'ai pas peur car je suis très engagé. C'est vrai, le début est difficile mais après ça devient facile Sur ce chantier, ces filles ne sont pas considérées comme un complément d'effectif, mais des éléments à part entière. Et leur contribution est plus qu'appréciée par le superviseur des travaux de l'installation électrique, à Seydou. Ceux qui sont avec moi sont des stagiaires en phase de l'obtention de leur diplôme. Et pour cela, c'est une obligation de faire un stage de perfectionnement. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il n'y a pas un travail qu'une fille ne peut pas faire si elle est courageuse. Et pour nous, c'est une avancée parce qu'elle arrive à travailler dans des maisons où la présence des hommes n'est pas autorisée et elle apprend bien au point de pouvoir faire une installation électrique. Présent sur place pour superviser l'évolution du chantier, Elaj Maharouf Maman Issa, le PDG de l'entreprise, affirme que voir ces jeunes filles se battre comme des hommes est une fierté. Pour lui, elles ont compris aujourd'hui le temps des activités réservées uniquement aux hommes est révolu. Personnellement, quand j'ai vu j'ai été émerveillé et ça m'a donné le courage de prendre l'engagement de les aider tant que faire se peut. Je suis très content. Je souhaite tout le bonheur pour leur avenir. Il faut le dire, elles seront un exemple pour les autres jeunes filles. On ne parle plus de métiers uniquement réservés aux hommes. Les femmes sont plus nombreuses, donc elles doivent apprendre tous les métiers pour s'en sortir. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes. Que Dieu les accompagne. À Maradi, depuis l'ouverture des centres de formation technique, elles sont nombreuses les jeunes filles qui se forment dans des domaines jadis réservés uniquement aux hommes. Aujourd'hui, elles n'ont plus peur de se salir ou de se casser les ongles et apprennent la mécanique, la menuiserie, l'électricité, la plomberie et bien d'autres. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'ère du sport et nous sommes avec Hasumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, Mariam, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Très ah, bien. Alors, à Grouza, l'équipe de l'AS Fan a remporté hier dimanche au stade général Séné-Kountché de Niamey la, 49e Coupe nationale du Niger. Oui, et le club militaire a disposé de l'Union sportive de la gendarmerie sur le score d'un but à zéro. Les deux équipes ont émerveillé le public euh, qui avait fait le déplacement du stade général Séné-Kountché de Niamey. L'entraîneur de l'AS Fan s'est dit satisfait et reconnaît la qualité de l'équipe adverse. Aboubacar Ahmed au micro de Salamot Kadri. kamar yadda na ce can da muka yi rindo wanda ke rarrabu shi zai doki na tun ce muku antrane na su da grand antrane kana buga da su sai dai kai kamar kana yi na san abin da zai yi to kowane lokaci hankali na kan ka gane ko me kowa yayi naki yau na mai rabon ka gani ga rabon mu ka buga doka sai mun ji daɗi sosai Voilà, c'était là l'entraîneur Aboubakar Ahmed, entraîneur de la SFAN. Suivant à présent les impressions de l'entraîneur de l'USGNA, Rounadoula, toujours au micro de Salamatou Kadri. La raison, c'est qu'on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on s'est créées. Je pense que dans ce match, on s'est créé beaucoup d'opportunités pour faire un but. Bon, c'est dans l'extrait de précipitation encore, on est je pense que cette année, on a beaucoup pressé dans l'efficacité euh, à l'approche des buts. On peut dominer le match, on peut contenir l'adversaire, on se crée un maximum d'occasions qui difficilement n'arrive pas à rentrer. Là, sur une balle arrêtée, nous on a eu trois avant euh, qu'on n'a pas pu bien exploiter. Lui, il l'a frappé direct, ça va dans la lucarne. Moi, je lui dis bravo, il a osé sur euh, cette balle. Et ça lui permet d'arracher la coupe. félicitations à la nous, il faut aller encore travailler pour être à ce niveau déjà l'année prochaine année à venir, éventuellement espérer euh, la remporter. Bon, euh, on avait espoir au moins d'arracher un titre parce qu'on a joué la finale de la Coupe nationale, le championnat oui. Euh, on a été un peu euh, recalé par euh, pratiquement les deux équipes, l'Asman et la Garde. On était un peu loin d'eux. Il y avait des possibilités pour y revenir, mais on a fait des matchs nuls qui ne se devaient pas. Et quelques défaites qui nous ont, qui leur ont permis de créer le cas. Mais en Coupe nationale, on, avait pratiquement tous les atouts pour aller la chercher. Et je pense que dans ce match, on avait l'opportunité d'y croire. Bon, la Coupe a choisi son cas adoula entraîneur de l'équipe des gendarmes. Notons que l'ASFAN a dans sa palmarès cinq coupes nationales. Sa première coupe a été remportée en 1995, puis en 2009, 2010 et voilà 2024. Le vainqueur de cette coupe nationale, ASFAN, a empoché la somme de 20 millions de francs CFA et l'UCN se contente de 5 millions de francs CFA. Gourouza, cette saison 2023-2024 qui vient de donner son verdict a montré la puissance des équipes militaires. Oui, Abiba, l'équipe de la garde nationale est championne du Niger à deux journées seulement de la fin de la Super League du Niger. Nous l'avons euh, souligné d'ailleurs la semaine passée. Les poulains de l'entraîneur tchèque Omar Diabaté ont obtenu leur titre grâce à leur victoire 3 buts à 1 devant les Bleus de l'AS Douane. Effectivement, les équipes militaires ont dominé la Super League et la Coupe nationale. Ça montre que ces équipes sont actuellement en forme, mais aussi elles ont, ont eu un bon encadrement technique. Espérons que l'AS Garde nationale, AS Fan, vont bientôt représenter le Niger dans les compétitions africaines à venir. La sprinteuse nigérienne Amino Toussenine participera ne participera pas aux Jeux olympiques de Paris, n'est-ce pas Oui, Abiba. Ainsi, on a décidé la Fédération internationale d'athlétisme car le taux de cholestérol dans le sang Tousseni n'est pas conforme aux normes pour concourir, concourir dans la catégorie féminine. Mais selon Jérôme Lambert, agent de Amina, l'athlète est présentement à Montpellier en France où elle s'entraîne pour les prochains meetings après les JO. Voilà pour le sport de ce matin. Merci Grouza pour toutes ces informations sportives. Passez une excellente journée. Merci. Aïba, passons à présent au portrait du jour. Oui, il s'agit de Aïssa Aboubakar, résidente à Difa, journaliste à la radio Amfani. Elle est aussi membre de la société civile et de plusieurs organisations de jeunes de la ville. Et ça traite surtout des questions liées aux droits humains, principalement celui des femmes. Son portrait avec Fanta Chamsou. Âgée de 27 ans, Aïssa Boubacar est une jeune fille très dynamique de Difa. Elle fait partie de plusieurs associations de la jeunesse de sa ville. Titulaire d'un diplôme en communication, c'est dans le journalisme que Aïssa finit par exercer par défaut au début mais elle finit par prendre goût à ce métier après un stage obligatoire sollicité pour valider son diplôme. Ainsi, elle s'intéressa au fur et à mesure aux questions des droits de l'homme, un choix minutieux qu'elle explique. Alors, euh, <laughs> je me suis engagée pour la défense des droits humains, pour apporter ma contribution. Euh, déjà que je vois que ça concorde un peu avec le journalisme parce que ça c'est juste euh, pour la population sensibilisée et tout. Et je me suis dit que bon, je peux, je peux vraiment. Déjà, moi, je suis, si je peux le dire, une fille <laughs> qui n'a pas peur de prendre la parole, que ça soit en public ou bien. en tout cas, je me suis dit que oui, je peux le faire. Et d'abord, même si c'était le coordinateur lui-même en personne qui m'a, qui m'a approché, et il, m'a, il a vu que vraiment je peux assumer, donc il m'a approché et j'ai accepté, je me suis retrouvée dedans. Parler des droits de l'homme revient à toucher plusieurs angles. Et ça, c'est pour sa part pencher sur les questions des droits de la femme et de la jeune fille. Oui, naturellement, moi je suis femme, donc <laughs> la question de la femme ça doit être mon cheval, vraiment des batailles, mais sinon je ne me suis pas arrêtée uniquement euh, au niveau de la question de la femme. Euh, surtout ici à Difa, euh, la question, comment on appelle, des droits des jeunes filles parce qu'il y a beaucoup de, violences qui se font à l'égard vraiment de, la jeune fille dans la région. Inoussa Alambedi, l'un des collègues de Aïssa, rencontré à la radio en d'Edifa, apprécie la contribution positive que la jeune fille apporte chaque jour à la radio et à sa ville. Ça fait à peu près cinq ans que je connais Aïssa. Je le connais ici à la radio Amphani. Elle présente le journal et s'occupe des couvertures médiatiques. Elle est très dynamique. Elle ne refuse jamais de faire son travail. Ici, nous n'avons aucun souci avec son statut de journaliste. Mais le problème, c'est les stéréotypes ah, sociaux. En ville, les femmes journalistes sont souvent mal vues. Dans notre société conservatrice, on dit qu'elle prône la mixité. Mais ici, au boulot, nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous les connaissons, nous avons confiance en elles. Aïssa fait aussi partie de ceux qui se font appeler les cybergardiens. Formée par un programme de la place, elle s'occupe en compagnie de plusieurs autres jeunes de la ville de contrer les fausses et mauvaises informations qui pourraient circuler sur les réseaux sociaux et amplifier les défis sécuritaires auxquels cette région fait face depuis plusieurs années. Alors, euh, CyberGuard, c'est dans le cadre d'un projet, comme je le disais tantôt, le projet La ou des Search for Common Ground. Donc, euh, c'est même euh, du volontariat. on s'est intéressé pour être, comme on appelle, des ambassadeurs de paix qui veillent sur les réseaux sociaux, qui sont toujours actifs, qui vraiment surveillent et comment on appelle les publications, ben les informations qui sont euh, véhiculées à travers euh, les réseaux sociaux, voir euh, euh, comment on appelle détecter les discours des haines, les discours polarisants, et venir même également les fausses informations, après rectifier les informations qui sont fausses. C'est du fact-checking, c'est ça même les termes. Et ça porte plusieurs casquettes ce qui n'est pas sans difficulté pour son statut de jeune fille dans cette société. Heureusement, elle bénéficie du soutien de ses parents. Les difficultés en tant que femme, euh, c'est une réalité. Il faut dire que euh, maintenant, dans nos sociétés, une jeune fille qui est dans ce genre d'activité, elle est très mal vue, elle est très mal considérée. Mhm. Même les journalisme, vraiment, je fais face à beaucoup de difficultés. Je suis tout le temps entre les hommes. Et les gens nous, me jugent vraiment, euh, c'est le cas aussi euh, dans le cadre des défense des droits humains, la société civile, euh, le cybergardiennage, la fille qui est toujours connectée, qui est en qui fait des pauses, ceci, cela, les gens vraiment euh, ne comprennent pas. Je dirais que c'est ça vraiment la grande difficulté que moi je rencontre. En tout cas, ma maman, elle a toujours été d'une grande aide pour moi. Euh, elle m'a toujours soutenue. À chaque fois que je me retrouve dans une situation d'Ichar, je vais directement vers elle, je lui explique. Elle me dit euh, Non, moi je te fais confiance. Merci pour ce portrait très inspirant, Fanta. Un dernier tour à musique avec les sons d'Ade de l'artiste Yakuba Moumouni dit Danké Danké. chanson d'Ade Yume Denke Denke, Habiba enchaînant avec la rubrique Loti qui parle de la consommation du petit cola chez les femmes. Eh oui, Mariam, le petit cola fait la cote chez les femmes, notamment ici au Niger. Pour cause, il serait un puissant aphrodisiaque et ces dernières en consomment comme KM, KM Mata pour pimenter leur vie de couple. Eh oui, cependant, nombreux sont celles qui en abusent et ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. Retrouvons Raki et Semira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Coco, Coco, il y a quelqu'un ici Oui, un truc. Bonjour ma belle, ça va Tu vas bien Et c'est toi fini d'écraser mes petits colas, je te reviens. Sa fille avec ses spécialités, écraser les petits colas pour faire quoi avec Hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ces monde C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes. C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine. Et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui aident à soigner quelques maladies telles que la plaie de ventre, les plaies curable et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses. L'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup de maladies. Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tout. Tu vois, je ne connais pas tout cela. Oui, Safi, mais de la façon dont tu en consommes, hmm, on dirait une vraie, vraie, vraie spécialiste. Kadi, je consomme à peu près 20 colas jour. Ce n'est pas beaucoup. Subhanallah, sa fille, son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas passer deux noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et dans des cas rares des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est de conseiller de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Les vins noirs là, je ne les consomme pas seuls. Hein, J'y ajoute du gingembre et du coulou de girofle pour booster ma libido et celle du chef. Ya Sofia. Donc si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès. Ok, ok, ok, je comprends maintenant. Je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité. Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses. Et tu dois en prendre en une quantité raisonnable. C'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment. Tout d'accord, comme tu veux. C'est pour ton bien. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse. Subhanallah, une seconde épouse <laughs> Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles, ma cousine du même âge que moi là, elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid, ton mari. <laughs> Qui Rukaya, pardon. Et pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là. fais attention. En voulant arranger, à ne pas tout gâter. <laughs> Rodesque, femme de la rédaction, après ce loti, écoutons Samira Oumarou pour la culture linguistique. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture Linguistique. La journée mondiale de la population est un événement annuel célébré chaque 11 juillet. World Population Day is an annual event observed on July 11 every year. Nous allons voir les contours du mot population. La population, c'est l'ensemble des habitants d'un espace donné. En français ou en anglais, le mot population ne change pas à l'écrit, mais la prononciation diffère et se lit population. Population is the whole number of people in country or region. Un exemple, the city has experienced an increase in population, qui signifie que la ville a connu une augmentation de sa population. The government must be honest about the cost of meeting the needs of a population. That means le gouvernement doit être honnête quant au coût qu'il en coûtera pour répondre aux besoins en soins de santé d'une population vieillissante. La population constitue la ressource la plus importante et la plus précieuse de toute une nation. Population is the largest and the most valuable resources of any nation. Cette journée a pour but de sensibiliser le public aux questions démographiques, notamment sur leur relation avec l'environnement et le développement. This day aims to raise public awareness of demographic issues, particularly the relationship with the environment and development. Ladies and gentlemen, That's all for today. Chers auditrices et auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour cet éclaircissement. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous suivre sur les zones de nos radios partenaires. Écoutons le message de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Je me nomme M. Touré Abdelaziz Zakou, directeur école Windé. Franchement, Studio Kalangu unifie les gens et ça les donne euh, beaucoup d'informations par rapport à la situation du pays et comment vivre même socialement parce que c'est des choses que les gens sont en train de faire. Mais avec euh, Studio Kalangu, on arrive à toucher toutes les couches chacun doit savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, euh, premièrement, je salue ma vieille maman, elle est à Niamey. Je salue mes frères et je n'oublie pas mes deux femmes. Abalera. Ah, Aino mulai Musa kan sigane mulai da malam ginditan. Balle wallahi istige kolangu irgogo makani gumo. Zamir wo bon fiera ka irgogo duwa ga zati dinga eroto irsi hangana hay kul kadde daben. Irgogo ma kani gumo gumu man cikaina. Radio wo kayen ka ka sohon kadde bon fiera kirgudu watukulu. Wodin ban banda irga fo zada bawa kan wa a janewa abanda kalangu goi tere ai gani fo ay bani ha fo coro kango arlit sale alu sabar mo sai kango goyo te kan kina hima alai salisu wanda aka sani da alai salisu mai albasa batun abun ga studio kalangu gaskiya asuman eh, sai dai mai fatan ubangiji Allah shi kara daukaka kuma da fatan alheri eh, ina sauraren su kai da kafa fi sabilillahi saboda duk abin da shi kaga kan matasa kami duka ina biyar da duk abubuwan abubuwan da ka gudana suna fahimtar da mutane kuma kamar makaranta ce ma 'yan kaddiba game da harkar nan na studio kalangu saboda abubuwa diya wanda suka yi na tsare-tsare wanda ba yaro ba ba latizo ba duwar kake kana karuwa da shi to bisa wannan sai dai mun fatan jinjina da fatan ubangiji allah shi kara ma wayanda suka yi wannan tsari eh husaha na kara wannan shiri. Amina Galangu gaskiya alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin shi Allah a yi Allah ya taimaka gaskiya shirin yana ƙatarwa al'amuran ma gaba ɗaya suna birge ni gaskiya muna jin daɗi wallahi ƙarhe biyar zuwa ƙarhe bakwai na mari alhamdulillah wallahi. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette émission présentée par Haïba Ahmed et moi-même Mariam Adé. Si vous voulez réécouter l'intégralité de l'émission, il suffit juste d'aller sur le site web du Studio Kalangu www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. L'édition a été assurée par Adam Adawa qui est à la technique. C'était Seni Isaka. Bon appétit si vous êtes à table. Passez une agréable journée. Bye bye.